Ok, salam alaykoum. dal sur www.igfm.sn donc dañu am euh, dalal euh, ki nga Adja Nous gën ko xam euh, ci série Impact Valérie Gomis donc Valérie dañuy contente. dalal la IGFM de wax nga internet yi lay Salam New York. merci ma femme, pour invitation bi merci au groupe TFM pour l'invitation mhm. d'accord donc euh, kan moyen, euh, Valérie. alors Valérie Gomis est une sénégalaise d'origine capverdienne donc je suis née au Sénégal <laughs> je me sens plus sénégalaise qu'autre chose euh, j'ai grandi ici j'ai fait mon cursus cursus scolaire ici je suis mariée maman de deux enfants. Et depuis quelque temps, j'évolue dans le milieu cinématographique. d'accord Nous euh, avons la ci li nga série impact Comment nga def ba intégrer série bi. série bi <laughs> c'est un pur hasard Ce euh, jëkkër il évolue dans le milieu donc plus il me parlait de de son travail plus may gën a bëgg xam li muy def ak yooyu mm-hmm. donc noonu ma dem Marodi def casting bi euh, ma def casting yu bëri trois je je pense après benn jour ñu woo ma ne ma am na benn rôle bi ñu proposé est-ce que mën nga ñëw ma ñëw ma defaat beneen casting ñu validé mm-hmm. donc noonu laa duggee ci euh, famille Maroudi d'accord donc nga am ci benn rôle boo xamante ne euh, du ma wax sax femme jalouse mais malade. <laughs>

mu toog rek topp mbëggeelam topp xolam Sénégal ñëw pour mais ji tamit bëgg liggéeyam donc euh, mu et malgré les plaintes de sa femme il pouvait pas alterner vie de famille et vie professionnelle donc ñu am ay problème bu tamit fiir loolu xam nga rek dem di ngeen gis ay séquence fu mu demee bureau bëgg def surprise jëkkër ji di euh, jëkkër ji nekkoon ak secrétaire bi xaw ma dafa doon ëf bët bi moom mu foog ne da ko doon <laughs> fóon waaw mais xam nga angle bi ma ñëwee daal fóon la ñu mën a <laughs> gis ah, donc euh, voilà après gis ngeen fu mu leen mujj fu ñu mujjee Adja son mari n'a pas su la rassurer comme il se devait et finalement vous avez vu à la fin de la série euh, de la saison une dañoo mujjee divorcé may na ko baatam daal non mais man ne je dirais pas que rassurer wu là. je crois que Prince def nous le lu mu man pour mm-hmm. rassurer ki nga xamantene moy Adja mais mm-hmm. jalousie bi euh, peut-être que mon dem ba sen mariage détérioré et tout ça après relation bi mu jeewee comme fait Ouais, jalousie bi nak mm-hmm. franchement ëppoon na mais un instant il avait réussi à la rassurer mm. mais après bu mu un euh, message u Aminata bi affaire ex bi <laughs> phone bi daal moo ñëw perturbé yëpp parce que ñu ngi doon prévoir voyage ñoom ñaar et tout mm. donc ils avaient retrouvé voilà mais chat chat moo si dugg daal mais est-ce que confiance amoon na sa diggante ak prince bon confiance bi dafa mujjee woon dem lan moo ko génnee parce que prince n'était pas présent dans la vie de sa femme Adja

donc pour Adja c'était pas facile té wax na ko ji tamit mais mom tamit euh, liggéey bi moko ko ëppoon doole daal donc euh, loolu la daal. donc est ce que c'était pas à Adja tamit d'être compréhensive comprendre jëkkëram épaulé ko xam ne que ne bu demee day liggéey et puis bu ñëwaatee retrouver famille wam bien bien vrai que euh, présence masculine bi nga doon soxla amoo ko woon et tout ah xam nga Sénégal moom <laughs> boo fi nekkee dañuy ne jigéen bi moo war a comprendre <laughs> donc forcément c'est à toi la femme d'être plus souple mm. euh, nga masla bu bëri quoi donc euh, oui Adja devait comprendre son mari. <laughs> d'accord donc si série bi tamit euh, damay xalaat ne que est-ce que nekkuñu ne dañuy euh, jàngale pour wane ne que relation aussi pour mu dem l'amour seul ne suffit pas. parce que nit bi mën nga yéen ñaar bëggante ngeen. Mm-hmm. nga bàyyi beaucoup de choses pour Prince et euh, malgré tout ça n'y a euh, séparé de séparation mhm. parce que jalousie et tout est-ce que tu dit, ni manque de confiance manque de communication à jalousie nest ne loo xamante maintenir. moo tax sëy tas. exactement T'es c'est euh, le rôle. de Adja et Prince c'est ce qu'ils voulaient plus montrer mhm. parce que les gis c'est c'est bon rôle, il y a tellement de divorces Il y a trop de divorces L'école allemande manque de communication mhm. Euh, les époux ne sont pas euh, assez présents l'un pour l'autre et ça, ça gâche beaucoup de choses. Le manque de confiance, dès qu'il disparaît et il n'y a plus de communication, il y a beaucoup de choses qui, qui gâchent le couple. Donc, comme tu as dit, l'amour seul ne suffit pas, hein, malheureusement. <laughs> D'accord. Il y a une séquence où le gars marqué durant la saison euh, saison. Séquence il me marqué, moi, euh, dans le Wartal avec Fatih. Dico mon expliquer mon problème avec euh, Prince di connaît que je sens que mon mari et moi on est en train de s'éloigner euh, donc séquence Bobo, avec euh, séquence ou divorce bi séquence où en fait il fallait vraiment rentrer dans la peau du personnage mm. pour pouvoir transmettre de l'émotion et c'était ben instant j'étais triste. il y avait beaucoup d'émotions. j'étais triste j'étais triste surtout divorce bi. Mm j'étais triste, je me disais, euh, ça doit être compliqué pour une femme de passer par ça. C'est pas, c'est pas facile, surtout quand on aime euh, la personne avec qui on est. Parce que Adja, elle aimait son mari. on ko ñaan mais. Mhm. du doon li na ak mais dal et tout peut-être elle aurait euh, reculé. Mhm. mais les deux séquences là elles m'ont énormément marqué ok donc euh, comme tu euh, mu am euh, émotion bu bëri ci ci épisode la prince est-ce que fàtte woo li nakari retourner waat ñëwaat pour yéen regretter si ça si. si si bi mu ma <laughs> maa man est-ce que est-ce que c'était pas une décision prise sur le coup de la colère est-ce que nous mer moo tax may ñaan ak est-ce que delu si bad <laughs> mën la est-ce que prince du wan may la sama baat bi ak est-ce que mën la nek <laughs> donc euh, voilà Ouais, si c'était à refaire, je pense que je l'aurais pas fait. Hein. ok donc mu conseil peut-être plein que mm-hmm. après décisions à la hâtive parce que à la euh, voilà quoi donc mm-hmm. euh, première apparition on était di découvrir impact comme ni ma ko commencement euh, difficile franchement, le métier parce que je me suis sentie à l'aise. Mm -hmm. Déjà, Famille Maro, au je, connaissais beaucoup de gens. Donc, euh, ils m'ont accueilli vraiment bien. L'équipe était top. Je remercie de passage l'équipe technique. Mhm. En plus de ça, euh, je tournais avec mon mari. C'était le réalisateur. Donc, euh, voilà, c'était c'était bien. je faire connaître, faire connaître. Ok, je vais faire dafa fois pendant la fois dans la famille non c'est pas bon refais ça comme ça et tout ça mm-hmm. mais c'était bien il me permettait de bien apprendre mm-hmm. il me permettait de bien apprendre il me permettait d'évoluer c'était ma première fois donc il y a beaucoup de choses que je maîtrisais pas mm-hmm. mais c'était pas aussi compliqué que je le pensais non d'accord euh, a moins différence euh, Valérie Gomez ak Valérie Gomez bon il y a beaucoup de points de similitude. Euh, je suis à l'écoute de mes amis. <laughs> Comme Adia, j'aime bien être là pour ma famille, mes amis, les gens que je côtoie. Euh, bëgg joxe ay conseils mën naa ko loolu nag <laughs> chaque fois nañ may tooñ ne ma bàjjanu de nga <laughs> waaw donc voilà maladie dire maladie bi waaw. Ah, ah Adja dafa fiir trop fiir <laughs> na fiir na mais aja maa ko tane. Ah, <laughs> waaw billaay maa ko tane. ah duñ ko woo jël ko ci suuf laaj ko ndax li ngay wax nii noonu la demee. foog naa maa ko tane de maa ko tane. <laughs> d'accord donc lan ngay def en dehors de la série. Euh, en dehors de la série je suis en train de monter des projets je mmh. travaille sur des projets là donc euh, ils avancent ñaanal leen ma daal maa ngi ñaan yàlla mu sotti léegi incha allah. donc est-ce que tey yomb na nekk mère de famille euh, di dem di tourner parce que tournage yi parfois mu guddee. Mhm. xam nga parfois mu euh, nekk hors de Dakar et tout peut-être dem si sous région yeeg genre affaire demee noonu. Mhm. est-ce que dina yomb tey nga mun a am présence bi nga war a am ak sa ak sa famille tes enfants. ouais c'est facile yomb na yombul après tout dépend de nous gérer ce planning en plus de ça à nous nous tout le temps me séquence de ou non donc euh, j'alternais bien ma vie de famille et ma vie professionnelle ils sont pas difficiles à gérer donc euh, voilà mm. c'était c'était pas trop compliqué

boo demee xam nga nee nañu siiw du jaami borom buñ la xamul duñ la bàyyi xel mais il suffit que ñu gis la benn yoon ci télé bi rek dinañu commencé ut ay kii yu ñuy bind et tout mais ah booy def jàmm waroo ragal dara mm. nañuy c'est à prévoir ok donc euh, nga ne euh, je dirais pas accessible mais réactive. Mhm. Euh, bind le message rapidement répondre répondre ma et tout est ce que dina Yombo, Fancy si de bind ngeen tout et tout ça. Moi, je fais tout pour pouvoir répondre au message. parce que nit sensibilité il faut il faut nga koy sóoraale mm-hmm. ñu bëri boo leen tontu tontuwul dañuy foog ne nag leen di xeeb ak yoy donc man côté bobu dama ci xalaat bu baax mm-hmm. sa yu ma un message mom j'essaie d'y répondre mm-hmm. sur même commentaire et tout ça j'essaie de répondre un par un pour ne pas frustrer euh, les gens ne pas jouer avec leur sensibilité waaw euh, mu nekk loo xamante ne lu nice la te du ñëpp ñooy euh, doxalee noonu franchement mu nekk loo xamante ne ça m'a vraiment touché moo tax sax ma daal di lay poser question bi lan la nekk loo xamante ne euh, série yi nga joué changé na ko si sa vie lu mu la apportel de positif ah euh, man franchement je fais la différence entre le rôle et ma vie mm-hmm. franchement su ma joué bu pare bon pare naa mm-hmm. jeu bi

ñu ne bon je vais te le faire gratuitement mhm. et après en contrepartie y a ça et et tout ouais ay avantage moom <laughs> ay avantage d'accord donc euh, tey jeunes ni nga maintenir ne dañ lay seetaan bëgg la ban conseil nga leen di jox euh, conseil bi ma leen di jox mooy ñu bañ a foog ne euh, liggéey bi wala acting bi dafa yomb hmm bon nous pour buzz parce que le métier d'acteur c'est vraiment un métier les gens ils sous-estiment le métier alors que moi par exemple j'ai pas fait la formation mais beaucoup c'est leur profession mm-hmm. ils font la formation ils apprennent le, métier en tant que tel et tout donc euh, il faut beaucoup apprendre avant de se lancer dans ça parce que ça demande beaucoup d'efforts mm-hmm tu te réveilles tôt, tu rentres tard, il y a les textes à apprendre, à parqueriser, il y a, euh, il y a tout un ensemble de choses qui va avec le métier, qui va avec euh, ce que tu fais. Il faut aimer pour le faire parce que sinon, beaucoup, beaucoup, di nga on convoqué à 8 heures on est retourné à h heures est mère et tout donc euh, c'est un ensemble de choses il faut beaucoup travailler et surtout s'instruire avant de se lancer dans le dans l'acting. d'accord Tay ban message ngay jox euh, les femmes mariées euh, lan moy nek tay euh, message biñ len di jox c'est-à-dire lan le ki nga xamantene ngay sey mom nga wara a ak sa borom kër pour ngeen bañ a réeroo bi nek lo xamantene ne luy duré lay doon Yalla nak moy jéxal moy <laughs> bon message bi may joxe femmes mariées mooy beaucoup communiquer parce que la communication c'est la clé de la relation taï solen leen reiro warul am donc euh, jëkkër yi tamit xam nga jigéen yi dañuy wax muñ leen may wax du yi muñ <laughs> muñu ñu de jëkkër yi dara nag faama non. kon na nag nañ ñu muñal. waaw nañ ñu muñal xam nga jigéen motul. Hmm. ko indil pour nga mottali ko mottali xelam donc nañu muñ muñal jigéen yi daal. Hmm. tamit ñu bàyyi calculer yenn yi ci jëkkër yi. Hmm, jë góor moom boo bëggee contrôler lépp lu muy def. da ngay sonn nga muñ daal sëy waaw sëy rek jaamu yàlla jaamu yàlla la lan mooy say projet sama projet est-ce que du ma ko denc surprise la surprise dëgg la waaw kay yaa ma gën a xam bàyyi rek ma liggéey instant yi maa ngi ci liggéey bi mais ñaanal leen ma rek mu sotti incha allah incha allah mais ñëpp a ngi xaar deuxième saison bi j'espère que dina am waaw deuxième saison dina am dina am renforce ça. renforce en force. renforce waaw rek xaar mais en attendant man ngay regarder une série Karma mi il y' a Arimer Chaba, il y' a plein d'autres séries qui qui sont là, que Marodi vous propose, donc vous pouvez vous régaler en attendant. En attendant, d'accord. Là, moi ce dernier mot euh, Mon dernier mot, moi, euh, dit conseil s'est ni, ni 17 de série de ne pas prendre euh, les côtés négatifs, mais plutôt apprendre de ce qu'on vous montre. Parce que les c'est pas, c'est plus pour y être, pour jungle population. Parce que ce sont des mots de la société qu'on est en train de montrer dans, dans, dans les séries. Euh, voilà, et vous remercier, <laughs> remercier Marodi TV pour la chance qu'ils m'ont donnée, remercier mon mari, mes parents, ils m'ont beaucoup soutenu. merci d'aller, je ñëpp maa ngi remercier. merci beaucoup internet euh, IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñu ngi nekkoon nag euh, ki nga xamante ni mooy Adja doon kontaan dalal ko bu baax fii ci IGFM di leen jox euh, dig daje ba beneen ak keneen merci beaucoup.